mi ngi noonu euh, nous sommes euh, mi ngi noonu. Euh, mi ngi le premier ministre Ousmane Sonko di ñëw ci li nga xamanteni moy euh, euh, deuxième étape li nga xamanteni mom moy deuxième étape li nga xamanteni mom moy mooy tey réforme bi am bi fii aujourd'hui fini à Saint-Louis nous sommes présentement à Pékin. Pékin ah, Pikine la ñu ci deuxième étape bi premier ministre wara a ñëw daal di def

reculez, reculez, reculez. Reculez, reculez. le Premier ministre qui vient de sortir de son véhicule. Premier ministre Minginonou, Waragnou, à Khamentene, Momodi, euh, euh, Fini Chipikin. Euh, première sortie, c'était plus par rapport à la zone Binga Khamentene, Momodi. Euh, zone euh, côtière bi manam plage bi fini mi ngi ñëw ci li nga xamantene mom modi assainissement and ak euh, le directeur Cheikh Dieng de ONAS le premier ministre Ousmane Sonko waye itam Cheikh Tidiane Dieye mi ngi nonu directeur ONAS mi ngi koy expliquer un peu nan la fini nii donc néna la fi <laughs> premier ministre ngi nonu xamé ko won premier ministre ngi nonu docteur Cheikh Dieng qui explique euh, le, projet de Divi, qui avait été démarré en 2017 et qui s'est arrêté en 2022. Donc, auparavant, il y avait eu, dans le cadre du projet droit à la ville, donc l'aménagement de ce bassin à la derrière. Et ce bassin était fait. Ah, ici c'est un bassin. derrière. Le bassin avait été fait sans, sans ONAS, donc, euh, donc qui est actuellement au-dessus du réseau. Maintenant, ce réseau, nous l'avons repris dans le cadre du projet de 10 pour en faire un réseau au pluvial. Le réseau est fortement agressé. D'une part parce que les travaux n'ont pas été terminés faute de ressources budgétaires qui n'étaient pas euh, suffisantes. Nous l'avons redémarré il y a deux mois. C'est ça les travaux qui sont actuellement en cours nous allons voir tout à l'heure. Mais euh, vraiment, monsieur le Premier ministre, le problème de OANAS à Saint-Louis, c'est un problème d'investissement lourd qu'il nous faut Parce 10 villes nous permet de faire Pékin 10 km de réseau euh, euh, et ce trop là pour les réseaux au C'est largement insuffisant. Pékin a 100 millions d'habitants, 000 habitants dans avec seulement 10 km de réseau C'est un problème d'investissement que l'État doit consentir pour avoir le réseau vraiment aux normes capable de drainer toutes les autres. Alors, ce projet-là, euh, une fois qu'il sera terminé, il permettra le passé qui est de tout de pouvoir le récupérer parce que c'est un réseau qui fait le tour donc euh, du périmètre de 6 hectares donc, et qui va donc assainir. Et le terrain pourra être maintenant rétrocédé aux des territoriales pour les besoins de construction d'équipements sociaux. Donc c'est un projet extrêmement important, mais, pour lequel on a objectivement des difficultés financières pour le Donc le projet est euh, financé par la BADEA, donc à, hauteur de 90% et 10% par euh, l'État du Sénégal. Et euh, donc, euh, euh, il y a, une situation d'arrêt. d'arrêt. Parce que les crédits avaient été l'essentiel.